on sort les ballons demain dimanche 13 février dans le monde en fait la radio et le thème retenu pour cette 11e édition est la confiance. Yarada kuke ba la Barunda radio suke watsa L'étude d'audience des programmes et médias de la Fondation Rondel réalisée par Kantar en 2020 a la radio est le premier média vers lequel il se tourne pour s'informer lorsqu'un événement se produit au Niger. Rien qu'à Niamey, la carte mondiale de radios signale une trentaine de radios qui émettent le shirye drama da suke wani siyasa, tsaro, tattalin arziki Cette fête est vraiment l'occasion de discuter sur le processus de traitement de l'information kuma da dalilan da yake ba da dama a amince ko a ƙi amincewa da labarin da gidajen radio ke sarrafawa pourquoi se fier à la radio pour s'informer, surtout en cette ère de réseaux sociaux dans la salle TBS Studio Kalangu tabou de ce vendredi 11 février. Donc la FADA a saisi cette occasion pour convier des confrères journalistes et des fidèles auditeurs pour discuter sur la thématique. La FADA de la musique, c'est la rubrique assurée par Miss et c'est la chronique de Olivier Choco. Jeune et radio, suffit il à la radio pour s'informer C'est le thème de cette fada de ce soir. Nous avons comme invité Sidiki Zidiara. Il est journaliste. Sidiki, ça va Nous tous à la fada. <laughs> Nous avons Mokhtar Doulaye. Il est journaliste également. Ça va, Mokhtar Oui, ça va. Super. Touré Boubacar, il est président association Yali RLC. Niger, la crème de la crème sur la fada aujourd'hui. Nous avons Mokhtar Doulaye, il est journaliste. Ça va Mokhtar Oui, ça va, alhamdulillah. Super. Nous avons Isaka Mbossi, notre ami de la FADA. Il est politologue. Ça va, Isaka Oui, ça va. Le Dama? Alhamdulillah. Nous avons Abdullah Rachid. Abdul Rachid, il est entrepreneur. Ça va, Abdul. Bonjour, vous allez bien Allah, Alhamdulillah. Allah, Et enfin, nous avons Hamidou Issa. Il est étudiant en journalisme. Ça va, t'as pris la voix. hein Oui, ça va. T'arrives, hein <laughs> Un <laughs> bon courage à toi. <laughs> Merci, On t'attend. <laughs> nous avons tout autour de nous euh, des étudiants de l'IFTI qui peuvent également intervenir hein, au besoin, ok Top, c'est parti. La radio, un puissant outil pour célébrer l'humanité dans toute sa diversité. Binciken ƙungiyar ta duniya mai kula da harkokin ilimi da tsaro UNESCO ta abara, Ya nuna da radio ne kafar watsa labari da jama'a suka yi amfani da shi a faɗin duniya. Avant de donner la parole à nos invités, je vous propose d'écouter ce Vox Pop réalisé par Farida Maman. radio On l'écoute et on se reprend juste après. Oui, moi je pense que on peut faire confiance à la radio parce qu'elle n'émet pas n'importe quoi. Elle traite d'abord les informations qu'elle reçoit, on les analyse, on vérifie la provenance, la source de l'information avant de la diffuser au public. Oui, bien sûr qu'on peut faire confiance à la radio parce que vous n'êtes pas sans le savoir que la radio est plus fort que les téléphones aussi, que la télé aussi parce que tout a commencé avec la radio. On se rappelle très bien auparavant, les gens n'écoutaient que de la radio et si tu veux même euh, faire tes communiqués, tu veux passer des infos, tu passes à la radio. C'est un canal sur lequel on peut faire confiance. Sosai ake iya yarda da labaran da suke wuce bisa radio saboda radio ne kusan na farko wanda yake isar da labaransa a cikin al'umma ko a kan raƙumi ko a ruga ko a ƙauye ko a gida ko a mota ko a zaune da haka a yarda da labarun radio abubuwa ne waɗanda suke da muhimmanci a cikin al'umma saboda su ne suke zauna su saurara kuma ta nan za su iya samun labaran da suke sonan da nan Ok, là on a des super fans de la radio quand même euh, qu'on vient d'écouter là, Touré de Yali. Oui. De tout, on va se dire euh, la vérité là. <laughs> de tous les canaux d'information. Oui. Wani no kohin unhani de shi. C'est aussi la radio comme euh, eux là ou euh, tu ah, utilises autre ah, chose? Ban, ban ca da radio, bisa radio ne ke samun labari. Amma dai radio yana cikin bisa yake ce hanyar da nake samun labari. Parce que radio ne ke sa uh, kana aikinka. Ba, bai kai ba ka bar aikinka in kana nan ga yake ce. Eh, Wai ko a mota, ko a mota, wala. Donc la radio a cette particularité-là quand même d'être euh, euh, le moyen le plus, le plus simple, le plus accessible euh, pour pouvoir s'informer. Mais aujourd'hui, je vous avoue que ce n'est pas mon premier canal de... comment dire d'information <laughs> <laughs> mais, ça en fait partie ça en fait partie super moi aussi tu nous écoutes on le sait oui. bien oui. Donc, ko eh, shirye-shirye ne suka birge ka shirye-shirye ne nake yawan saurari kwarai nake yawan eh, mikir suna a cikin eh, radio saurari cikin radio mm. sai kamar shirye-shirye ne saman kan harka siyasa kamar su ne ke kamar na hiso an tuka saman son sauran mai mm. ina sauraron sauran shirye-shirye mai kamar na siyasa na siyasa sun yi abin gana kwarai okay parce je me vois plus na ga ganin kaina ciki ina ina samun kuma abubuwan da nake ƙara kana samun abin da kake so wala ina ƙara tunanina kuma ina sanin yanda abubuwa suke tahiya okay wala ni bangare na kenan super a wannan fatan muna tare da yan jarida eh, yau kuma duka kwatanta ma masu shuraren mu ya ne kuke samun labarin naku da gyaran da kuke musu la complexité de cette tâche. Comment, euh, Sidique, je reviens vers toi, tu es journaliste, et euh, tu peux expliquer à nos auditeurs, ceux qui nous écoutent et ceux qui sont là, comment vous faites pour trouver cette information, comment vous la traitez, et qu'est-ce qui est compliqué dans ce que vous faites ben, d'abord, quand une information, euh, quand on a vendu une information, la première des choses d'abord, c'est d'en discuter. D'abord, nous, on discute en conférence de réaction entre collègues. On essaie de définir un angle de traitement et sur la base de ça, maintenant, on essaie d'identifier maintenant les intervenants qui vont réagir par rapport au sujet. Et tour à tour, on essaie de contacter pour avoir euh, les réactions des différents acteurs, euh, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, parce que c'est ça aussi. Il faut aussi cette confrontation. Il ne faut pas toujours tomber dans le jeu. On dit bon, on prend qu'une seule partie et laisser l'autre partie et dire bon voilà le sujet il est traité mais a des conférences de rédaction là, je là, ce reportage kin duka c'est pas toi seul de ton seul chef tu te lèves tu dis bon je vais traiter ce sujet il y a tout le monde qui contribue et on est euh, une dizaine une vingtaine à donner son avis sur le même sujet euh, pour le ben traiter au mieux. C'est comme ça que ça se passe dans les ben conférences. Oui, c'est ben comme ça dans les conférences. La moindre des choses, c'est d'échanger avec les collègues, bah, même si on, on, pense que le sujet est, est, bien défini, il faut discuter pour avoir aussi l'avis des autres collègues aussi, pour voir si euh, il n'y a pas des choses, un, ajout aussi qu'on peut apporter, un plus qu'il faut apporter aussi. Et sur le terrain maintenant, une fois qu'on a les réactions, il faut faire attention parce que vous savez aussi, les intervenants aussi peuvent tomber aussi dans un jeu aussi, euh, tomber dans la diffamation, euh, dire certains propos qui ne sont pas vraiment la bienvenue. Et c'est là aussi le boulot aussi du journaliste de rappeler alors son intervenant et lui dire bon, euh, cher interlocuteur, voilà nous euh, ce que nous voulons faire. Maintenant, allez sur ce sujet, ne rentrez pas dans autre chose. Et une fois revenu, quitte au journaliste maintenant, après avoir récolté toutes ces informations, de faire le pour et le contre et essayer de donner l'information parce que aussi c'est côté non. Le journaliste doit rechercher, collecter, vérifier, rédiger et diffuser l'information. Il n'a pas à être avocat, juge, policier ou quoi que ce soit. Merci. Là, c'est plus clair. Mais tu vas encore apporter les éclaircissements, Mortar euh, Doulay. Qu'est-ce qui est plus compliqué pour un journaliste Est-ce si facile de trouver l'information, si facile de trouver les sources pour vérifier et faire des analyses C'est si facile que ça ou ah, yana da sosai yana sosai vraiment euh, c'est pas facile pour les journalistes d'avoir les informations de vérifier les sources de ces informations il y a beaucoup de difficultés ok comment quelles sont les difficultés auxquelles euh, vous êtes le plus confronté sur le terrain Tu nous dis juste deux. Voilà. D'abord, pour avoir quelqu'un qui va vous répondre à votre question comme il faut. Oui. Ça, nous avons cette difficulté. OK. La deuxième difficulté, c'est la vérification des sources d'informations, parce qu'on ne peut pas diffuser une information sans avoir une source fiable. Fiable. Qui va vous faire confiance que vraiment cette information que vous avez recueillie une information de qualité kenan wata ranka samu mai maka magana da zai baka labarin na kirki sai complique Alors la ka ka diba ka gani wannan abin da aka yi gaskiya ne wannan mahallo kuma tana yawa kashe wata kofar da za a liƙe maka oui comme par exemple aujourd'hui mm. aujourd'hui quelqu'un peut me dire que au niveau de Niamey par exemple les baguettes de pain se vendent à 200 francs donc je ne peux pas diffuser cette information il faut que je trouve la source de cette information. Et il faut que ça soit au moins trois ou quatre sources. Je peux demander à quelqu'un ici à Yantla, au moins sur deux Saïman ou bien quatre Saïman, qui me rassure que les baguettes de pain se vendent à 200 francs. Du moment où j'ai une seule source d'information, je ne peux pas les diffuser. que je en de da nashi temps. Dans ce que les radios euh, font, elles cherchent à toucher le maximum de public. kuma subama al-umma al'umma dama su faɗi albarkacin bakin su a ganinku suna cimma wannan gurin in so wajen ka tu es entrepreneur on cherche à toucher le maximum de gens et donner la parole au maximum de personnes qui, aime bien, qui aimerait bien intervenir parce que oh, terrain tu vas faire le tour de la ville, tu n'as même pas deux personnes qui veulent te répondre à ton micro. On fuit le micro. Aganenka, est-ce que la radio, tu as gurinata? wataran kaman mutum na ma tambayan kanshi mutum na ma samun kaman cikin hankalin shi eske mutanen da suke wanga ko ina ne suke ko yawonsu ya ne suke yawo ta wani hanya ne suke gamuwa da mutanen da suke gamuwa da su parfois et quoi. Et c'est quelque chose qui, sans être bien sûr dans le domaine, l'on aura toujours des questions à se poser. Ça impressionne. Hein. Voilà, hmm, ça impressionne vraiment. <laughs> On va profiter pour faire un big up à nos correspondants à hmm, l'intérieur hmm. du pays parce que c'est grâce à eux. Moi, que ça, ma information, Zender, Maradi, euh, Tawa, Agadez sans bouger de Niamey. Voilà. On leur fait un gros coucou, on leur souhaite euh, bonne fête euh, de la radio. Euh, Zandawa Hamidou Issa, tu es étudiant. Oui, je suis étudiant. Tu te retrouves dans dans les radios ici. Kanasam, ça va, t'arrives à te retrouver Bon, pas du tout. Ah ouais Oui, pas du tout. Explique-moi comment ça se fait. Parce que la majorité des émissions diffusées, ça ne concerne pas nous les jeunes. Pas, tu pas, tout ça la fada La majorité, <laughs> ah, okay, okay, okay, la majorité. Mm. Ça ne concerne pas les jeunes. Bon, pratiquement toutes les émissions, c'est pour euh, les, l'ancienne génération, pas nous. Mais il y a des radios d'exception, comme Studio Kalangu et Challenge FM que j'écoute aussi. Et quand même, ils arrivent à faire des émissions qui concernent la jeunesse, qui concernent le développement des jeunes kena a ganin eh, ka rediyo ka ya kamata a ce suna ƙara ba matasa su masu gai albarkacin bakin su suna shirye-shiryen da suka shahi matasa kai wannan ne dai baka samu to mun ji et eh, j'espère que suma son J. Okay. On va aller avec la rubrique de Dondi et on se reprend juste après. Maliaro, il m'a semblé ça sentinai. Eh, parce que nous avons un bec Niger ora zaine Maliaro brakulgba. Maliwo mantikala aima de Kano. don ka yaro mu yi babu ma da kano nan kan ma lodin funuwa. ta mali yaro mhm. ni fun sirfi kar na kanya ma mai zi mhm. kodin matkin ano na kada ara matkin ai kada ai mun bai har nukan ai managar irko dai gaida ngara hankan irko ne te mu ga te denu kati kan aitun ai gonda hanga fo kan kama bambara bambara kan ka bambara bambara e gumbamo ir wonno ir namuno donc hmm. ay gumba il me agwani goyo da de hmm, bambara gumbe na gwani gumbe na a un funu de sikal Il gumbe bambara donc y hmm. un de professionnel go kar petit à petit nimo nugu dondo nugu dondo nugu wani donc irgi jouer charbanda igir che chebedo zamir sikal RDA windora zam RDA bandino iriga kurefono parti RDA no de la kurusu ta no di no di du cheyong igir che ir ko RDA bore kwara ir ko go jouer ici donc ir go yat ir go yad, ir go yat ir go yat go kal 98 98 euh, ngono wankoy agence promotion tisumantini mm -hmm concours, concours amateur. Mm. Donc, concours Odinga, il participait. Mais il participait, gumba Gumbano, il participait. So, il a modernisé, mm. gagné orchestre. sanga le gumbé ara orchestre voilà. gumbé star maliaro et star bon maintenant il a concours nous concours mm. maintenant il batterie mm-hmm. il guitare mm-hmm. Maintenant, Bombaradini, il côté Bombaradini, dès qu'on vous le Goumbé, il côté avec batterie au don Donc il. Gumba bargete des batteries. Voilà. et puis Arango Chergana. Il go Chergana. Aïmo, il côté une voix quand don. Donc il monnaie au concours Il faut qu'il participe en 98. Ah. Il participait, on a appelé eh, Almeida, on a appelé Kanogay, mhm. on a appelé Paco. Mhm. Eh,

irsintinano har kan porsintin kan podium mi duno kai mina sanni fo mali yaro zafu nuga hatta hatta gado nugwana walnya mai denu nu fura rapu tu follow ai suwana ai babai they savent même pas les gondes voix quand don foyongi no cheon no zongugu zong zongugu zongugu 5000 koberi chavi son dini mi che je do kalmar to kal million bo alo maliaro famon de siduno na fufu do manaka de na faim ne de hon kuna ribiraɗe ne goo ribiraɗe ne que mon man kande hay kule ay banda ñamay emina alhamdulillahi parce que ay naru ara ay hijara ay haya ay du moto ay du windi ay du makko yongo hinno cindese ngumo ko ay go fonda wori ko ma dogonen <laughs> l'artiste s'exprime mesdames et messieurs l'instant est tout simplement solennel maliaro sandiko koranta ni senago zane kalsifi kwara bore gu ganganirse cen fonun kuni gangi tonon di jeune ga an kan tonen jeune ga dai jeune mi chardi me du dundu mun bai kanu Y'a yakin filan nekte nim bay nan kanon ni lakalo gu koy nim bandu guna nim jin guna matunon te banda koida. go koyda ya dinga dole no wone wo nigo bora kun nafa nigi nafa ainsi parle l'artiste Maliaro. Hey. ami do la fada on revient sur la fada mo muka dora anan cibiyar studio kalangu anan ko arkano anyama yau muka dora wannan fada tamu albarkacin ranar da studio kalangu ta bude ma jama'a fa ga sunan sun zo duka da wanda muke aiki tare da su abokan namu masu hannu da shuni da su 'yan 'yan makaranta 'yan makarantar iftik wanda suka ba suke karatun wannan jarida kowanne ya zo ya gani aikin studio kalangu ya ne ake nan ganin shi ya yau muka gayyato amannan namu 'yan jarida kuma da masu shuraren mu zo mu hira su kan wai rediyo ya ne me yasa ya kamata a ce an yarda da rediyo don a samu labari na kirki ingantacce a wannan fadar ina tare da Mokhtar Doulay, ile journalist journaliste, tare da ture Boubacar, il est le président de Yali RLC Niger. association des jeunes leaders. Nous sommes avec euh, Sidi Kizi Diara, il est journaliste également. Issa Kamossi, politologue, Rachid, entrepreneur. Hamidou Issa, il est étudiant en journalisme. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est que la radio, c'est votre truc. radio. Comment on da ɗazu ka ce mini gaskiya radio na cikin eh. kafofin watsa labaru da kake shurare me yasa ka yarda da shi kuma wani amfani ne kake samu kana shura radio kahin in baki amsa ina so kamin eh, in ma mutanen da suke aiki cikin radio barka <laughs> paske na ga kaman kun yi mu yawa nan don tun da muka fara kuma ba ku yi barkan kanku mu za mu ba ku barka da sallah don <laughs> eh, vraiment abin da ya sa Eh, mutum yana iya dacewa da labarin da ka samu cikin radio ba wani abu matsala ne sadir sai osi clear ke sa don kasan da radiyon wanda ke ba da labarin shi ma bayan shi akwai wanda ke ce mai wanda ke jawo shi bisa hanya in ya ɓace don a partir da certain hanyar ya buɗu da zai sa a ba da labari Eh, kyaukyawa na gaskiya wala alors que de l'autre côté bisa réseaux sociaux kowa ne zan ka tashi kawai hakan ga sai ka wadi abin da kake so sai ka ce ka ga rabi ga ta nan gudal ashe ita tana studio kalangu wannan to shine ai bambancin eh, ake ca eh, tsakanin radiyon da yana gizo da yana gizo da kafofin sa zumunta na bisa yana gizo c'est vraiment à cause de de cet aspect, euh, certes accessible, mais institutionnel de la radio, qui fait que euh, l'information que tu reçois de la radio, tu, tu fais foi à cela. Et comme l'a rappelé tantôt euh, Moussi, euh, vraiment, de, pendant longtemps, on a utilisé la radio comme la source la plus fiable. Quand tu veux défendre une thèse dans, dans ta FADA, tu, tu, tu, tu, tu, tu as plus l'adhésion ou l'acceptation de ce que tu vas dire si tu amènes une, une, euh, une preuve en disant que ma source c'est telle ou telle euh, radio. Ouais, moi aussi. Tout à l'heure, on parlait de politique. On sait que c'est plutôt délicat, <laughs> Est-ce que tu fais confiance quand même aux radios dans le traitement des informations liées à la politique, les débats les magazines, tout ce qu'on fait, La confiance, je dirais pas vraiment. Il y a wahala mutum ya yarda da abun da ake gai cikin radio zamanin gana yanzu. Basa kan siyasa. Eh, surtout sama kan bangaren siyasa yana da wahala. Saboda yau in ka diba eh, yadda radiyon kan muske tahiya. Za ka gani wanga radiyon akwai wanda zai cewa a ni ban sauraron wanga radiyon saboda na 'yan eh, adawa ne eh. wanga ya ce a ah, ni ban sauraron ga radiyon saboda na masu mulki ne kenan mutane suna ganin kamar eh, labarin da ake badawa sai yana da yana tahiya ne da kai kamar yana da launi launi launi wani labari <laughs> wani labari sha ne wani bula ne kike a hausar rabi <laughs> to eh. kamar haka nan ne an ce a ah, wanga daga wanga radon ta hito kakku yarda ya ce wanga na daga masu mulki ta hito a ah, ƙarya ne suke ni na adawa ne ƙarya ne suke don ganga wannan duka kurakurai ne wanda ke kawo harka wanda suke kawo eh, eh, mekir suna eh, matsala matsaloli cikin tahiya cikin tahiya ta kwarai ta radiyoyi ka wanda ake samu yau mm. kenan wannan bangare guda ne don harka harka siyasa harka siyasa tana da matsala tana da matsala babba su tu cikin kasashen gada mu men kidi ba kasashe na waje har yanzu radio suna da mahimmanci kwarai mahimmanci kwarai puisque ko da a ce kai dan siyasa ke bi ba ka da a ba ka da gani mu kuma nan kuma nan ba romu ba romu za ka gani eh, radio bai tsoron a ce a shi ta da wancan bangaren yake a lokaci kuma radio an san shi da neutrality ba a san prise de position kamar ka dauki bangare bangare guda kai ba ka da bangare don yana cikin abin da sa kenan yau muna da yana da wahala mutum ya yarda da labaru saman ka harkar siyasa wanda yan radio ke bada ba. Sai kai analysis kinka ta kanka. To muna tare da yan jarida anan ga Sidiki Jerome Vertua. Yan jarida da muke tare da su yau. A cette ère des réseaux sociaux, comment vous vous y prenez pour informer les populations Wata hanya ta kuke bi don ku inganta da labarun da kuke watsawa. Tunda yanzu um, Mosi yana zancen manque de neutralité de certains médias et tout. Comment vous vous y prenez pour informer au mieux euh, de la meilleure des façons, de la plus juste des façons, les populations c'est d'informations sans coloration politique. Ben, vous savez, vous savez, vous, vous, savez, c'est un peu complexe. Vous savez, aujourd'hui, les médias, aujourd'hui, sont dans un jeu aussi, s'il faut le dire. C'est surtout ça. Vous pouvez, vous, le journaliste, euh, avoir une idée, un message à faire passer, mais le média peut avoir aussi sa, sa ligne éditoriale. Nous savons malheureusement aussi c'est ça aussi. c'est vrai qu'on roule avec les lignes. Hein. Si on dit qu'il faut pencher sur ce côté, vous allez vers ce côté. Il est très difficile qu'on le fasse. On, le, on a beau le chanter qu'on est neutre, mais des fois il arrive dans certains papiers, dans certains reportages, dans certains commentaires, dans certaines analyses, qu'on donne, on donne nos positions on affiche nos positions. C'est ce qui est un peu euh, regrettable, je trouve, parce que quand on le fait, on a, on a cassé quelque chose. Le public déjà prend position avec nous. C'est tout ce qui est dramatique. Ben, euh, merci à vous. On va aller encore en musique. Pour notre pause musicale, cette fois-ci, on veut rendre hommage à ce beau métier de la radio. Je vous propose Presse libre de Maman Barca et on se reprend juste après. Baïonnement et isolement, arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat, souffrance des journalistes du monde entier. Président de tous les pays, dirigeant de toutes les nations, empereur de toutes les cités Libérez, libérez la presse. Libérez, libérez la presse. Libérez, libérez la presse. Libérez, libérez la presse. Laissez les journalistes tranquilles. Laissez-les faire leur travail. Laissez les journalistes tranquilles. Laissez-les faire leur travail. La voix de la presse est la voix du peuple. La force de la presse, c'est celle du peuple. Il peut s'en servir quand il a besoin. Il doit s'en servir quand il a besoin. Mais dès qu'il s'en sert, c'est le bâillonnement et le musulman. Arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. et torture. bon, c'était Maman Balkan, mais euh, Presse Libre annonce aussi euh, notre chroniqueur chouchou, Olivier, qui est là. Oli, qui va nous présenter la chronique. Ah ben de ce samedi. Euh, Qu'est-ce que tu as prévu pour nous Ben écoute, ce soir, je suis venu parler avec vous à la FADA des contenus des médias. Parce qu'on est jeune et on se demande est-ce que les contenus des médias ne doivent pas évoluer. Donc c'est la question qu'on se pose avant de commencer la chronique. Que pensez-vous Est-ce que les contenus des médias doivent évoluer ou bien, euh, enfin, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez J'ai envie d'avoir votre votre votre avis. Euh, Olivier, mm. quand on quand quelque chose ne marche pas, mm. c'est parce que ça ne répond pas aux attentes des gens. Là, je vais peut-être euh, prendre ma casquette d'entrepreneur. De, mm-hmm. On a tendance à dire pour entreprendre, il faut résoudre un problème. Exactly. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit au niveau des contenus. Mhm. Vous voulez euh, augmenter votre audience, adapter le contenu à, à, vos auditeurs. Donc euh, sur cet aspect, je crois qu'il y a du travail à faire. Mhm. Il y a vraiment du travail à faire. Euh, la radio est en train de, de, de, de chuter en termes d'audience parce que les contenus sont restés à, leur place d'hier, je vais dire. Alors, amis de la FADA, ce soir, dans la chronique, nous abordons la question essentielle des contenus des médias. Auparavant, au Niger et dans la plupart des pays d'Afrique, la radio était détenue par l'État, la radio-État, où les contenus étaient structurés. Et puis après est venue la libération du secteur des médias, tout comme d'autres secteurs. Les médias ont désormais à leur charge, à leur responsabilité de produire des contenu, des programmes variés pour informer, sensibiliser, éduquer. Mais force est de constater que les médias ont du mal à suivre la tendance, surtout la radio, à cette difficulté de s'adapter. À l'ère des réseaux sociaux, la radio doit-elle s'adapter C'est la question qu'on s'est posée et c'est la réponse que nos invités nous ont donnée. Mais quant à moi, selon mes recherches, j'aurais compris que pour que un média soit suivi, c'est comme si aujourd'hui euh, l'autre l'a dit, on propose un produit qui intéresse. Donc le contenu doit évoluer, mais plutôt doit aussi s'adapter. Et cette adaptation ne vient pas, en tout cas, sans moyens. Et heureusement pour nous, on a un journaliste parmi nous. Je vais poser la dernière question. Est-ce que les médias, les journalistes ont les moyens pour s'adapter à leur temps Sidi qui les... est journaliste, bien évidemment. Est-ce que les, moyens, les journalistes ont Les moyens pour s'adapter à leur temps. Je pense que je ne parle pas au nom de tous les journalistes. <laughs> Je pense que <laughs> c'est très difficile. Mais si on veut, euh, si on veut évoluer dans ce monde, il faut s'adapter. Parce que mm. c'est sur ce que tous les Moussi disent. Ils disent qu'aujourd'hui, les médias, dans leur dimensionnalité, proposent des contenus qui, forcément, ne répondent pas aux besoins des, des, des populations. Je partage leur avis. Et tu es journaliste, tu sais qu'il faut couper, et puis je te coupe, et on va se dire au revoir, bien évidemment. Et vous avez compris que bah, le travail de la radio, comme tout autre travail, doit s'adapter, et s'adapter nécessite de la volonté, du temps, et surtout de l'énergie, et pourquoi pas la question des moyens, la question épineuse. Comme le dirait l'autre, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Apparemment, à la radio aussi, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ouais, Oli. Il faut les matériels, il faut. <laughs> il faut le matériel, il faut vraiment les moyens de sa politique. Merci, Oli. Merci bien. Et euh, on revient à la fin d'après la chronique d'Olivier, j'espère que vous avez aimé. Euh, Abdou Rachid, entrepreneur, je reviens chez toi encore. Vous êtes, encore, vous êtes euh, à la radio et en compagnie des journalistes. J'en viens à ma dernière question. Quelles sont vos attentes Qu'est-ce que vous attendez de nous Qu'est-ce que vous attendez des médias mais dai kuka ce ne par rapport bien sûr à la radio Il ya kamata ne a ce waɗanda suke saman ko wuraren za su information don su yi ya kamata su nema su kai ga abun yake tabu hmm, wanda abun ya shafa eh ya shafa eh. a information wanda zai huta daga wanda yake tabuwa ya ta wurin wanda ya kamata ya kukan ko maganan mutuna Okay, so, kuma journaliste tu vas me donner euh, ta dernière intervention cette émission il dit qu'il faut aller vers, vers euh, les concernés, avoir leur, euh, leur avis, avoir leur voix. Toi, qu'est-ce que tu attends d'eux <laughs> Tu vas passer la journée en train de chercher cette information. Le, véritable concerné ne veut même pas te parler. Qu'est-ce que tu attends d'eux Voilà. oui. Mhm. Eh, la, première des choses d'abord pour que on aura une bonne confiance avec nos auditeurs et nos auditrices. Par exemple, aujourd'hui, c'est difficile pour nous les journalistes de faire des reportages. Parce qu'il y a beaucoup de gens, si tu étais parti envers eux, juste j'avais euh, une, petite interview d'une minute, non, non, moi je n'ai pas le temps, je n'ai pas bien placé pour répondre à cette question. Nous avons ce problème. Et c'est à eux qu'on trouve la vérité. Parce que ma propre problème, c'est moi qui le connais. Est-ce que vous pouvez parler aux audits à ma place, dire que Mokhtar a tel problème, tel problème Non. La deuxième des choses aussi, il y a beaucoup des interlocuteurs. S'ils vont accepter de te répondre, il ne va pas te donner la vérité. Et du moment où un journaliste était sur le terrain, il est parti accueillir l'information avec toi qu'il a fait l'interview, tu n'as pas lui dit la vérité. Qu'est-ce qu'il va diffuser Les choses. Donc il faut que vous acceptez à répondre à nos micros et nous dire aussi la vérité, et toute la vérité aussi. Rien que la vérité. Je, je veux peut-être compléter sur euh, ce que mon confrère vient de ah. dire. Ce que je voudrais des citoyens, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez un problème, n'attendez pas aussi que les journalistes viennent. Des fois, il faut réagir. À l'intérieur, certains le font. Quand il y a une situation, ils appellent les médias pour intervenir. Ici à Niamey, où on intervient, il n'est pas interdit à ce que les citoyens aussi fassent appel aux médias. Vous avez le numéro de Studio Kalangou, euh, de la radio Goudel, de Canal 3 ou d'autres médias, ou de l'ORTN. Venez vers nous, on est offert, on n'est pas des monstres, on travaille. En fait, le journaliste, il se met au service du public. Ben voilà. Le journaliste se met au service du public et on espère vraiment que le public, il l'a bien compris et qu'on va travailler main dans la main pour faire bouger les choses. C'est la fin de tout ça, la Fada Française, nous étions avec nos confrères des médias partenaires. Nous étions avec des entrepreneurs, les jeunes leaders et euh, des politologues sur cette Fada. Yo, Mounihira radio kuma wa'annan matasan wanda muke tare da su sun yi zancen rediyo su dinga tahiya inda ya kamata su yi magana da wanda ya kamata don a samu labarin kirki ingantacce don a watsa shi su kuma 'yan jaridan suka ce ma al'umma in suka zo wajen su da mikro ku dinga amsa musu tuna in ba ku gai ba me yasa a sa a rediyon dole sai an yi da ku kenan sai an sa hannu da hannu sannan wannan aikin zai tahiya kowa ya samu kanshi a cikin wannan aikin namu sai mu ci a huta lahiya et eh, nous souhaitons encore bonne fête de la radio à toutes et à tous au revoir